le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du Il est 18h15 euh, à Niamey. Bonsoir euh, à tous et bienvenue au forum de la presse de ce vendredi 4 euh, septembre 2020. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre les principaux faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont les inondations exceptionnelles qui ont touché toutes les régions du Niger, les préparatifs de la la rentrée scolaire et académique 2020-2021, euh, la création dimanche dernier d'une nouvelle structure euh, dénommée Coalition citoyenne pour la République euh, CCR et la coalition pour une alternance démocratique CAP 2021 créée le mercredi 2 septembre dernier à Niamey. Nous parlerons enfin du décès mardi dernier à Niamey du président de la Convention démocratique et sociale CDS Rama et l'avenir de ce parti sur l'échiquier politique national. Pour analyser ces différentes informations, nous recevons avec euh, plaisir dans ce studio ce soir. Issa Madougou, journaliste euh, indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Michel. Elhaji Mohamedou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne euh, Niger Inter. Elhaji Mohamedou Souleyman, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa Joubo, il est également journaliste euh, indépendant. Hussein, bonsoir. Bonsoir Michel. À la présentation de ce forum de la presse, Michel Deji. Parlons tout d'abord de ces pluies diluviennes qui ont causé ces dernières semaines des dégâts immenses aux populations de toutes les huit régions du Niger. Les eaux ont en effet encore cette année envahi les habitations riveraines du fleuve Niger, les cultures maraîchères et détruit sur leur passage plusieurs biens à comme à l'intérieur du pays. Il ressort des conclusions de la réunion du comité de suivi de ces inondations présidée par le président de la République, Issouf Mamadou, le lundi 31 août dernier qu'à la date du 30 août 2020, le bilan provisoire de ces dégâts était d'environ 32 500 ménages sinistrés pour près de 281 000 personnes concernées, 26 300 maisons effondrées, 51 décès et 5 516 hectares de cultures inondées. Quelle analyse suscite en vous ces chiffres, Hussein Issa Joubo, journaliste indépendant euh, Merci Michel. En réalité, ce n'est pas une surprise. Hein. Je crois que les prévisions météorologiques qui étaient déjà, en tout cas, annoncées depuis le mois d'avril, ont annoncé qu'il y aura des fortes précipitations cette année, qu'il y aura beaucoup d'inondations dans la zone du Sahel et particulièrement au Niger. Ce qui veut dire que ce n'est pas une surprise. Bon, comme on le sait, on connaît un peu le type d'habitat le plus répandu dans ce pays. Et on sait un peu, toutes les villes ont grandi de manière anarchique. On sait aussi au niveau des villages comment les gens construisent pour me résumer et me maintenir uniquement à ce qui s'est passé à Niamey le long du fleuve Niger, c'est-à-dire les villages riverains, les quartiers riverains du fleuve, où quand même il y a eu beaucoup de catastrophes, je veux dire, il y a un phénomène qui est là, que les gens ont perdu de vue. Le fleuve s'est progressivement étiré, en tout cas le lit s'est rétréci progressivement au cours des décennies, du fait de l'ensablement, mais d'autres facteurs endogènes. Et des gens ont profité pour construire dans les parties où l'eau s'est euh, retirée, les zones inondables, ils ont construit parce que moi, quand j'ai connu le fleuve au tout des années 72, pratiquement, le lit était beaucoup plus jusqu'au niveau de l'INGS, c'était l'eau. Mais progressivement, ça s'est retiré, les gens se sont mis à construire parce que quand ça s'est retiré, avec euh, un peu tous les phénomènes qu'on connaît, les gens sont venus construire dans le lit. Pas seulement même au niveau des villages riverains, comme Colo, comme euh, Libori, comme je vais dire Karma, tous ces villages-là, souvent beaucoup de maisons, ceux qui sont un peu en amont, en hauteur, c'est toujours les lit du fleuve. Et comme on a l'habitude de le dire, l'eau ne se détourne jamais de son chemin. Ça peut faire 100 ans sans venir, mais le jour où ça va venir avec force, en quantité, c'est que ça va vouloir reconquérir son lit naturel. Mhm. Et c'est à ça qu'on assiste cette année. Et à cela est venu s'ajouter, bien évidemment, les eaux de pluie, les fortes précipitations qui ont été déjà annoncées. Merci. À Niamey particulièrement, ces pluies diluviennes sont à la base de la montée des eaux du fleuve Niger et ont occasionné d'importants dégâts, notamment dans les quartiers Kilkusoy, Nogare, Karagé et Lamordé. C'est dans le cinquième arrondissement communal de la ville de Niamey où les populations ont vainement, à certains niveaux, tenté d'ériger des digues de fortune dans le but de contrecarrer cette montée des eaux. Malheureusement, le courroux de ces eaux a été plus fort. Certains sinistrés sont aujourd'hui accueillis dans les écoles où plusieurs familles cohabitent dans des salles de classe. Une situation que déplorent notamment les femmes qui ne se sentent pas vraiment en sécurité. Selon Hadiz Issa, la déléguée des femmes d'une des classes à l'école euh, quel que soit un, beaucoup ont préféré confier leurs filles chez des parents plutôt que de les exposer à d'éventuels esprits malveillants. On l'écoute au micro d'Adama Dawaki. Nous vivons tous ensemble. On ne peut même pas distinguer père, mère, fils, mari. Notre condition de vie laisse à désirer parce que nous n'avons pas accès à l'eau. Les deux robinets de l'école sont hors service. Nous sommes logés dans l'école Crix 1. Nous sommes 11 femmes dans la même classe. Nous dormons dans la cour de l'école. Les les voleurs nous tâtent toute la nuit à la recherche d'argent, mais un sans-abri ne peut avoir d'objet de valeur. Nous sommes vraiment exposés à tous les risques. Nous sommes ici depuis mercredi et nous avons confié nos filles chez certains membres de nos familles. Les toilettes sont insalubres et inutilisables. Les conditions de vie ne sont pas réunies. Mais vu que nous n'avons nulle part où aller, voilà pourquoi nous sommes ici. Issa Madougou, journaliste indépendant, on se rappelle que le Premier ministre et le Président de la République avaient effectué des visites de terrain pour exprimer leur solidarité et leur soutien aux ménages sinistrés après avoir été alertés sur l'ampleur des dégâts de ces inondations. Mais que peut-on espérer après ben, Que l'État puisse euh, faire de son mieux parce que nous le savons, il ne faut pas se cacher. Derrière la réalité, pour le dire, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, le gouvernement nigérien n'a pas des fonds disponibles pour ça. Mais l'État, le peu que l'État dispose, il faut qu'il y ait une gestion rationnelle de ce don. Si l'État doit mettre ça au profit de ses sinistrés pour une première prise en charge avant de solliciter les humanitaires, il faudrait qu'il y ait une gestion rationnelle. Parce qu'on a compris dans ce pays le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et on le constate même à des gens qui sont bien placés dans l'administration publique aujourd'hui, qui, c'est des situations comme ça où que l'État fait sortir un budget, eux, ils profitent par des manières peu orthodoxes à s'enrichir. Moi, je pense que dans cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait plus faire faut continuer à sensibiliser. Mais c'est la prise en charge aujourd'hui qui pose problème. Il faut que l'État ait aussi une politique de riposte. Il ne faut pas que ça soit chaque fois, il faut dire nous disposons d'une politique et d'un dispositif national. Mais non, on ne voit pas ça rapidement. Donc c'est du discours. Il ne faut pas que le <coughs> discours prime plus sur l'action. Ce qu'aujourd'hui les gens ont besoin, c'est de l'assistance. Il faut les assister le plus urgentement possible. Et aujourd'hui, on le voit, cette situation, la majorité sont dans des écoles. Il y a des écoles qui n'ont pas pu être habitées parce que ces écoles même sont inondées. Alors nous nous trouvons encore dans une situation un peu complexe parce que c'est bientôt la rentrée. Mhm. Où vont aller ces familles On abordera cela justement tout à l'heure. j'ai Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne euh, Niger Inter. C'est vrai, on constate que nous avons une récurrence euh, du phénomène des inondations. On se rappelle encore des tristes euh, inondations en 2012 mais aujourd'hui, que faire pour atténuer les conséquences de ces inondations constatées partout au Niger Et peut-on espérer que le pays arrive à tourner le dos à ce phénomène récurrent Que faire euh, C'est là justement la grande question parce que là, vous avez vu quand le Premier ministre est allé sur le terrain, il a dit que ils avaient pensé que l'effort euh, fait par l'État était consistant, mais à l'épreuve de fait, ils se sont compte à l'évidence que euh, ce n'était pas ça. Mm, oui, c'était bien. Le président de la République également est allé donc euh, sur le terrain voir donc constater les dégâts. Je pense que on voit toute la gravité de la situation parce que le président de la République a véritablement dit les vrais problèmes. Par exemple, en ce qui concerne le, et la fleuve, et une question de d'ensablement. Donc, il a parlé des vrais problèmes. Maintenant, je pense qu'au niveau de l'État, il est question maintenant vraiment de prendre des mesures euh, appropriées pour effectivement euh, faire face euh, aux vrais problèmes. Maintenant, par rapport à l'urgence, justement, comme l'a dit Issa, c'est population en ce moment, elles euh, ont besoin de l'assistance. On a euh, informé parce que le ministère de l'Action humanitaire, je pense que c'est aussi là un service qui s'occupe des catastrophes. Euh. Je pense que, franchement, pour me résumer, dire en tout cas que cette situation, elle est récurrente. Il est grand temps, en tout cas, pour qu'on puisse se dire comment la question des inondations, ça nous arrive. Il est en tout cas question au niveau de l'État parce qu'on se rend compte que rien n'est fait, par exemple, quand tu prends par exemple à l'intérieur du pays, comme au, niveau donc, de, fleuve, ces eaux qui vont venir faire des, dégâts aussi. Et pourquoi ne pas concevoir justement à les récupérer ailleurs pendant au moins après, juste après la pluie, ne serait-ce qu'un mois, deux mois, on pourrait profiter de ces, eaux. Donc tout cela demande de grands travaux, demande justement que les techniciens du ministère de et l'Environnement puissent vraiment être dotés de moyens davantage, de moyens conséquents pour effectivement faire ce qu'on doit faire pour que effectivement la pluie, comme le fleuve en tout cas, puisse être des moyens pour notre épanouissement, en tout cas pour permettre aux populations de mieux vivre. On sait que par exemple avec cette eau, euh, les gens peuvent davantage cultiver euh, donc euh, du riz, peuvent faire des cultures donc de rentes. Mais on se rend compte que plutôt chaque année, on subit les conséquences. Euh, et on est vraiment en clan dans une situation franchement euh, insupportable. Mais je pense que pour un État, euh, peut-être que nous sommes à une période électorale bientôt. Et c'est aussi le moment, je pense, que d'amener les différents candidats à davantage euh, voir les. À prendre ça en euh, considération. dans leur projet pas seulement en termes de promesses électorales, mais aussi en termes de résultats, on va constater. Malheureusement, ici, chez nous encore, on attend le jour où les gens vont, vont voter, les gens, pour qu'effectivement, parce qu'ils ont un programme, ils ont promis des choses, et aussi les sanctionner qu'ils n'ont pas fait. Là, vraiment, je pense que ce n'est pas pour demain. La population, est-ce qu'elle pourra être bien sensibilisée pour ne plus occuper ces zones euh, inondables euh, Il y a un problème en réalité, ce n'est pas un problème de sensibilisation. Il y a peut-être des problèmes qui ne sont pas réglés. Quand on les déplace, on fait un moyen d'accompagnement, on leur donne des parcelles. Mais on se rend compte que euh, ces parcelles-là ne sont pas en réalité utilisées. En tout cas, tout se passe comme si les gens bradent ces parcelles pour venir encore euh, occuper les mêmes, euh, les mêmes places. Donc là aussi, c'est au niveau de l'État qu'il va falloir euh, avoir vraiment une vraie stratégie mhm. pour que peut-être amener vraiment à prendre des mesures énergiques pour justement interdire aux gens. Ils peuvent tout au plus venir cultiver pendant donc, la, saison non pluvieuse. Elles, mhm. elles, peuvent venir travailler, mais c'est à l'État véritablement de prendre des mesures. On a vu quand l'État veut, il peut. Qui pourrait croire que la, voie du grand marché, quand l'État a voulu dégager les gens, on pensait que c'était impossible. Mais quand l'État a voulu le faire, oh, ça a été fait. Cela veut dire que c'est la même façon que l'État doit prendre des mesures énergiques, mais aussi avec des mesures d'accompagnement pour caser les populations, en tout cas, qui ne peuvent plus revenir habiter au niveau du fleuve. Hussein Issa, journaliste indépendant, quelle lecture par rapport à ces conditions de vie des sinistrés de ces inondations Les populations sinistrées, il faut trouver où les reloger. Comme d'habitude, c'est dans les écoles, c'est dans les centres de jeunes, s'il y en a dans les quartiers. Et ceux qui n'ont pas envie d'aller dans ces jacques de lieu, s'ils ont des parents dans la zone, ils vont aller, les parents vont les prendre en charge. Mais encore faudrait il que ces parents-là disposent d'assez d'espace pour accueillir. Comme vous le savez, quand même, à Rwanda, c'est un quartier populaire. C'est des cours communes où il y a pratiquement dans, la, dans une seule maison, vous pouvez retrouver 30 à 40 personnes qui vivent dans la maison. La solution immédiate, c'est de les amener. Et quand on les amène, il y a également des hommes qui font rien, des jeunes qui font rien, qui sont peut-être dans le banditisme. C'est une aubaine pour ce genre de personnes. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas. Moi, j'ai dit quelque part, il faut d'abord créer les conditions. D'abord, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est de manière cyclique que ça arrive, ce genre de situation. Il faut promouvoir une véritable politique de l'habitat dans ce pays. C'est quoi la politique de l'habitat à mon sens C'est pas forcément construire des logements sociaux, parce qu'on a vu que ces dernières années ou ces dernières décennies, l'expérience n'a pas pu donner quelque chose. Quand on se met, quand on l'État engage euh, des projets de construction d'habitats sociaux, le plus souvent, même y compris les fonctionnaires à revenus moyens, même quand ils veulent accéder à ce genre de maisons, ils ne peuvent pas. Parce qu'en coupe de route, c'est ceux qui ont déjà l'argent, qui ont beaucoup de maisons souvent, ceux finalement qui, qui s'accaparent de ces maisons-là. Il faut qu'il y ait une véritable politique de l'habitat. La véritable politique de l'habitat consiste en quoi À ce que l'État subventionne les matériaux de construction en matériaux définitifs. Ça dit. Aujourd'hui, même quand vous avez une parcelle, vous avez de la peine. Quand vous n'avez pas des ressources conséquentes, vous avez de la peine à, pouvoir concrétiser, faire une maison en matériaux définitifs, parce que tout simplement, c'est inaccessible. Le sac de ciment à 7000, 6000, quand ça tombe un peu, ça vient à 5500. La tonne fait combien Le fer à béton fait combien Les tôles font combien La main d'œuvre et tout et tout. la politique de l'habitat consiste à réduire tous ces prix-là pour permettre aux citoyens qui a peut-être 100 000 francs même s'il parvient à économiser 25 000 dans les 100 000, au bout de quelques temps, qu'il puisse acheter ces matériaux progressivement et pouvoir engager. Mais il n'y a pas ça. Ce n'est pas construire des maisons qui vont retomber dans l'escarcelle des mêmes bourgeois qui ont 10, 15, 20 maisons souvent. C'est eux-mêmes qui rachètent encore ces maisons ou en fin de parcours, c'est eux, c'est à eux qui reviennent. Ça ne sert à rien quand on parle de logements sociaux, ça ne sert à rien du tout. C'est d'autres qui en profitent, qui en ont déjà des maisons pour juste accumuler pour leur progéniture. Pendant que ceux qui en ont besoin, il y a des fonctionnaires, jusqu'à la fin de leur carrière, <laughs> ils n'ont même pas pu s'acheter une parcelle. Il faut changer la politique, il faut changer le, physique fusil d'épaule. Merci beaucoup. Passons à présent au deuxième euh, sujet de ce forum qui concerne les préparatifs de la rentrée scolaire et académique 2020-2021. S'exprimant lors d'un point de presse en date du 11 mai 2020 au nom des autorités en charge de l'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur, Yahouza Sadissou, avait décliné le programme de la rentrée académique 2020-2021. Pour ce qui est des rentrées 2020-2021, elles auront lieu, Inch'Allah, le 15 septembre 2020 pour le second cycle du secondaire, le 1er octobre pour le premier cycle du secondaire. Le primaire et la formation professionnelle et technique, avait-il euh, précisé. Quel commentaire par rapport euh, à ces préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, Issa Bon, vous savez que cette rentrée euh, scolaire va être un peu genre à l'image d'un défi. Nous savons bel et bien que le contexte est là. La pandémie de la COVID-19 est toujours là toujours, c'est une menace. Il y a ce dont on vient de parler, les inondations. Il y en a aussi eh, les revendications des enseignants, des acteurs. Mm. Il faut que euh, l'État et ses partenaires puissent regarder dans la même direction pour œuvrer ensemble, pour, rien que pour l'intérêt de l'école nigérienne. Vous voyez, avec euh, la pandémie de la COVID-19, est-ce que aujourd'hui l'État a pris les moyens que euh, ces mesures barrières, ne serait-ce que le port de la bavette, est-ce que des, mois, des dispositions particulières ont été prises Est-ce que l'État a réellement les moyens de sa politique aujourd'hui mhm. dans le cadre du respect de ces mesures barrières Aujourd'hui, quand on prend aussi sur le plan des inondations, c'est dans ces classes, tout à l'heure je le répétais, que se sont réfugiées ces familles sinistrées. Il y a des écoles également qui sont inondées, qui sont tombées. Et on connaît aussi nos réalités, surtout en campagne. Tant que les travaux champêtres ne sont pas finis, nombreux sont ces parents qui ne laissent pas leurs enfants aller aujourd'hui euh, à, l'école. Vous voyez, compte tenu aussi de la particularité de la saison, je pense que c'est un défi également pour les autorités. Mais rien n'est impossible quand l'État s'engage avec vraiment une politique réaliste qui répond aux réalités vraiment du pays avec les moyens conséquents, en fait de sorte que l'école nigérienne, parce que tout le monde le sait, l'école nigérienne n'est plus celle qu'elle était avant. C'est une autre école, d'une autre époque que nous vivons. Il faut voir seulement les résultats de ces examens. On dirait qu'on ne pense pas à l'avenir. Vous voyez le niveau, comment ça se passe. Moi, je pense que tout cela devrait nous interpeller tous, étant nigériens, pour se dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Il faut que, en tant que citoyen, qu'on amène l'État à prendre ses responsabilités et que les partenaires de l'État, que sont les syndicats de l'enseignement, eux aussi qu'ils comprennent que parfois il y a certaines exigences qu'on ne peut pas les satisfaire dans l'immédiat, mais que l'État aussi de son côté doit faire le mieux. Aujourd'hui, les classes sont là. On a toujours ces problèmes de classes, même ici à Niamey, où on donne des marchés et les gens ne sont pas foutus de terminer les chantiers. Donc, voyez-vous, il y a toujours aussi cette question d'infrastructure qui se pose. Moi, je pense que cette rentrée, elle va être vraiment très compliqué si l'État n'arrive pas à s'assumer. Hussein Issa, pensez-vous qu'il y a des obstacles à cette rentrée scolaire qui s'annonce Éventualité de l'indisponibilité des classes occupées par les sinistrés ou inondées ou la pandémie de la COVID-19 par exemple, comme cela a été dit par euh, Issa Madougou Moi, je pense que c'est juste euh, un effet d'annonce. Hein. Quand on voit un peu comment la rentrée scolaire 2019-2020 c'est, comment dirais-je, Kainka, on a pu parachever cette, euh, cette année. Mm. C'est pratiquement tout récemment que les examens de fin d'année ont pu se tenir, n'est-ce pas mm. Le privé, le bac, et même euh, il y a d'autres examens, le BTS par exemple, c'est juste la première partie, il y a une deuxième partie qui va se tenir, je crois, au cours de ce mois-là. C'est bien beau d'annoncer que, bon, le 15 septembre, les enfants vont aller à l'école. C'est bien beau. Mais attends, avec le retard qu'on a pris l'année dernière, il faut mettre tous les dispositifs en place, les manuels, les cahiers, les livres et tout et tout qui, qui doivent. Il faut reconstruire les, les, classes en, en Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Il y a des écoles où c'est carrément des classes en paillotte. Et il faut tenir compte du fait que la saison de pluie est prévue aller jusqu'au mois d'octobre. Quand est-ce qu'on va reconstruire ces classes-là Nous sommes le 4 septembre aujourd'hui. Y compris dans les lycées. Hein y compris dans les lycées. Quand est-ce qu'on va reconstruire ces classes-là C'est un défi. Quand est-ce qu'on va mettre en place les dispositifs au niveau de toutes les écoles à l'échelle euh, euh, territoriale Toutes les régions du pays, il faut acheminer, les, les, les, les comme on avait dit, il faut acheminer tout, pratiquement tout. Mhm. Ça, c'est un véritable défi. C'est pour ça que j'appelle, je, je, je parle d'effet d'annonce. Il y a l'autre aussi problématique qui vient d'être exposée, dont on a parlé, l'occupation des classes par les, familles inondées. Mhm. Bon, ça va les retrouver parce que si la saison de pluie doit se poursuivre jusqu'en octobre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents qui vont continuer à occuper ces classes-là. Le gouvernement peut faire quoi Parce que pour faire là, il faut avoir des moyens. Et sans compter les routes qui sont inaccessibles. Il y a des routes qui sont cassées, qui sont Coupé par l'eau et tout et tout. C'est des camions qui doivent acheminer le matériel. Même si le matériel est disponible, les, manuels, les les cahiers, les fournitures scolaires sont disponibles, c'est des, camions qui doivent les acheminer. En période normale, à pareil moment déjà, le, dispositif, en tout cas, est en, phase de préparation et à partir de, de, du, 10, le dispositif est lancé, c'est-à-dire le travail, chacun c'est ce qu'il a à faire on est encore dans un, comme avait dit, dans une situation où l'État euh, ne sait même pas quoi faire avec les inondations et qu'on dise non, la rentrée va avoir lieu. Mais par quelle magie Par quelle magie Moi, je dis, c'est juste une annonce politique. Comme d'habitude. va être difficile. Comme d'habitude. Effectivement, que, que ça soit effectif, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça va être une rentrée politique où on va montrer quelques écoles qui ne sont pas inondées. On va dire qu'il y a eu la rentrée. Mais à l'intérieur du pays, c'est que la campagne agricole aussi va continuer jusqu'en octobre. Jusqu'en octobre, il n'y a pas les classes. Les paysans sont avec leurs enfants dans les champs. Comment ça peut se passer dans ces conditions-là Et les enseignants, c'est pas évident que les enseignants aussi soient acheminés à temps. On est en septembre, mais il ne faut pas peur de vue ça veut dire que la rentrée au niveau des lycée, c'est à partir de dans, dans, dans, dans, une dizaine de jours. Mhm. Mais imagine, dans une dizaine de jours, comment on peut régler tous ces problèmes-là dans une déclaration rendue publique le lundi 31 août dernier, le comité exécutif euh, de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, UNUN, avait également évoqué la question du transport de leurs camarades qui ont des difficultés à regagner leur lieu d'études. Nous avons également chaque année des étudiants nigériens qui quittent le pays pour aller poursuivre leurs études euh, sous d'autres cieux. Comment relever tous ces défis au moment où les frontières, euh, surtout terrestres, restent toujours fermées dans beaucoup de pays j'ai Mohamedou Suleiman. Euh, justement, on se rend compte que euh, apparemment c'est l'impact l'impact de la Covid-19 sur l'année parce qu'à un moment on se posait la question euh, si l'année n'allait pas être blanche, on allait, faire des examens. Bref, euh, quand un hein, euh, ils ont pu assurer ce qui peut l'être. maintenant, justement, il y a seulement cette réalité de la Covid qui est encore une réalité, mais aussi, il y a, nous sommes, non pas se leurrer, en pleine campagne agricole où les réalités sont autres. Donc, dans tous les cas, moi, je pense que j'ai suivi la déclaration des, étudiants. Euh, le vrai débat, c'est que euh, l'école, il faut qu'on se le dise, si on veut euh, développer le pays, parce qu'on le dit assez souvent, on ne peut pas ne pas créer les conditions d'une école viable qui fait une formation vraiment utile et ça, c'est un vrai débat parce qu'on sait comment notre école euh, a même, euh, si on parle aujourd'hui justement de cette baisse de niveau, on sait mm. comment le peu d'acquis qu'on avait, d'année en année, de génération en, génération, on se rend compte que la perte de, niveau, c'est autre chose. Mm. Nos aînés, quand ils ont un, niveau CM2, je t'assure que, euh, franchement, tu, tu sens la différence. Euh, mais aujourd'hui, franchement, euh, je pense qu'il est grand temps, ce n'est pas de la démagogie qu'il faut faire. La question de l'école doit être vraiment prise très au sérieux parce que simplement tous les pays euh, du monde, en tout cas, considèrent que c'est à travers la formation des, jeunes parce qu'aujourd'hui, les jeunes le constatent, hein, tous ceux qui réfléchissent sur, en tout cas, l'avenir du pays, euh, on a un, potentiel important, la, la, la, la jeunesse. Euh, mais en réalité, une jeunesse, quand elle n'est pas formée, ne pas se l'érer on n'est pas en train de préparer l'avenir. Donc là, vraiment, je pense qu'il euh, n'y a pas de solution. Il est question de mettre les moyens, il est question, au niveau du budget national, en tout cas, de faire de la question de l'école une priorité parmi les priorités du pays, je sais que on va me dire à la de, sécurité, mais l'école, franchement, on sent comme euh, si elle est abandonnée d'une certaine façon parce que on a l'impression que euh, les difficultés qu'elle a sont vraiment euh, récurrentes. Jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de solution de démarcation. Mmh. vous voyez ce que je veux dire, C'est c'est le même truc, parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, on, passe le temps, l'année, les, enseignants et les étudiants à faire des revendications corporatistes, salariales ou bien de bourse. Mais le vrai problème de l'école, ce n'est pas seulement que ça. Donc, euh, je pense que, euh, en, vérité, il est question euh, de repenser notre école tout en justement lui assignant une véritable mission de développement pour le pays. L'État donc euh, doit faire le sacrifice nécessaire pour pouvoir relever ce défi d'une bonne effectivité de cette euh, prochaine rentrée scolaire et académique. Une page euh, politique pour clore euh, ce forum. Euh, parlons tout d'abord des dernières coalitions créées au Niger. Il s'agit de la coalition citoyenne pour la République, CCR, qui a fait sa première sortie médiatique le dimanche 30 août dernier composé de partis politiques, syndicats et associations, et la coalition pour une alternance euh, démocratique euh, CAP 2021 créée le mercredi 2 septembre dernier à Niamey. Issa Madougou, qu'est-ce qui peut expliquer la création de ces nouvelles coalitions et quelles sont leurs missions respectives ou communes Merci Michel. C'est toujours euh, le combat citoyen et politique, la défense de l'intérêt national. Euh, la défense des acquis démocratiques, la défense de la démocratie, un peu toujours, ce sont les mêmes préoccupations. Faire en sorte que la bonne gouvernance soit une réalité, que le respect des libertés euh, fondamentales, collectives et euh, individuelles soit respecté dans le pays, un peu qu'il y ait l'épanouissement pour tous. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces coalitions. Mais en réalité, quand on voit ce n'est que des structures de plus, parce qu'on l'a vu. On l'a vu euh, avec en 2009 avec CFDR, la CFDR, qui regroupe également. ils ont fait ce qu'ils ont à faire, mais après, chacun est parti de son côté. Mais moi, j'aimerais plus parler sur le CAP, mhm. que la coalition pour une alternance démocratique, CAP 2020-2021. Quand je regarde aujourd'hui les animateurs, ce sont les mêmes gens, les acteurs politiques issus de cette même classe politique, issus de la conférence nationale. En 2011, vous vous rappelez, ils ont créé la plus puissante, l'Alliance pour la réconciliation nationale. C'est la plus puissante et la plus promoteuse des alliances politiques au Niger. Mais tellement que cette classe politique nigérienne réfléchit à la Usain Bolt, manque de constance, manque de vision, une rapidité à la, à la vitesse lumière pour conquérir le pouvoir. Ils ont bâti campagne en premier, ensemble le premier tour. Dès les, les résultats du premier tour, chacun est parti de son côté. C'est-à-dire il n'y a pas de constance, il n'y aura rien. Ce cap-là va rester. conviction, non, il n'y a pas de conviction. Il n'y a rien qui peut venir de cette classe politique. Moi, je n'attends rien de ces gens-là. C'est pour cela que nous appelons chaque jour qu'il faut qu'il y ait de l'émergence d'une nouvelle classe politique, des acteurs politiques qui sont aujourd'hui imbus des vertus et de valeurs. Parce que cette classe-là, politique-là, ça ne va pas nous apporter un changement. L'alternance, là, ce n'est pas plus de l'alternance de changement d'hommes que nous, nous voulons dans ce pays. Hum. Les Nigériens n'ont pas besoin de ça. Mais c'est de l'alternance, un changement de système qui puisse œuvrer au bonheur des Nigériens. Mais il ne faut pas que les gens reviennent encore nous mettre dans les mêmes situations, faire pire. Mais cette classe politique issue de la conférence nationale au Niger, c'est cette classe politique qui constitue aujourd'hui le véritable problème de ce pays. Il faut que les Nigériens changent cette classe politique. Hussein Issa, en quoi ces nouvelles coalitions peuvent euh, contribuer au renforcement de l'état de droit et à la promotion de la démocratie au Niger renforcement de quel état de droit C'est la construction, la déconstruction et la reconstruction. On est dans le même schéma de pratiquement 1996-87 à aujourd'hui, on a vu toutes les formes de coalition dans ce pays. On en a vu pratiquement. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde fait la même chose. Je suis au pouvoir. Ce que j'ai, sur quoi je me suis, contre quoi je me suis battu pour les tenants du pouvoir, moi quand je vais venir, je vais faire la même chose souvent même pire. On est dans ce schéma-là. Et c'est en cela que je suis d'accord avec Issa Ce n'est pas en soi le changement des hommes. Ce que les Nigériens veulent, c'est la bonne gouvernance. Moi, je préfère encore, je le dis haut et fort. J'ai connu le régime militaire de Kounki, Je le dis haut et fort. On ne pille pas l'argent public et rester impuni, qui qu'on soit. Les gens sont venus à la conférence, il fallait faire la démocratie, mais la démocratie est conçue dans nos pays comme étant juste un système qui permet à quelques individus de mobiliser les populations pour aller voter pour eux. Une fois le vote terminé, cela la base d'un programme politique qui n'est jamais mis en œuvre souvent. Une fois le vote terminé, bon, on n'a rien à foutre avec vous. Hein. Attendez la fin du mandat. Alors que la démocratie suppose la bonne gouvernance. C'est ça qui fait la, que ce soit un système le moins mauvais parmi tous les systèmes politiques. Mais les gens, ils s'en fichent pas mal de la bonne gouvernance. Ils s'installent dans la, la mauvaise gouvernance et ils se disent que j'ai un mandat. On ne peut pas me déboulonner à partir du moment avant la fin de mon mandat. C'est ce qui s'est passé au Mali. Quand la CDAO s'agit aujourd'hui, ils voulaient penser, ils pensaient qu'ils pouvaient déboulonner, ils pouvaient amener les soldats là à retourner dans les casernes. Ils ont mis des sanctions et tout et tout. Mais ils n'ont pas regardé en amont que le peuple est ces soldats là. Est-ce qu'au Mali, il y a une manifestation pour dire aux soldats retourner dans vos casernes Tout ce dont on a besoin dans ces pays-là, c'est la bonne gouvernance, dans tous les secteurs. Quand il y a la bonne gouvernance, il n'y aura pas de coup d'État. Mais quand il gère mal, c'est normal que les gens contestent parce que c'est le peuple qui souffre. Le président Ibeka, il faut voir. À peine a-t-il été débarqué, on l'a libéré. Regarde, il tombe malade. On dit AVC ou quelque chose comme ça. non, mais alors, ça veut dire qu'il va encore rester trois ans. C'est parce qu'il est descendu, on l'a débarqué, qu'il est tombé malade. Parce qu'il n'y a pas les, injections et autres pour le maintenir en forme. Il est redevenu simple citoyen. Et c'est dans un, hôpital, de, une clinique de Bamako qu'on l'a c'est ça qu'il faut changer dans nos pays. Sinon, il ne va même pas se soigner dans une clinique à Bamako. Alors, Ça sert, Ces coalitions pourront-elles réussir euh, à tenir euh, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'organisation de toutes euh, les échéances électorales au Niger D'abord, ma première observation, c'est de constater que ce n'est que, comme l'a dit Issa, une coalition de, plus. Les deux coalitions, en réalité, parce que le FRDDR, c'était la même chose, de la société civile et les, politiciens. vous avez vu l'optique de la coalition citoyenne pour la République, euh, c'était un peu euh, à l'image du M5, euh, mais la coalition donc CAP 2021. Là, on se rend compte que dans le discours, contrairement à ce qu'ils ont annoncé, l'inspiration a été faite par la, la situation au Mali le, mal nous a indiqué la voie, donc on va faire cela. Mais en réalité, hier, euh, c'est qu'ils savent leur entre comprendre que maintenant, ils vont aux élections. Et ça aussi, il faut constater que, voilà, en fait, l'opposition qui a fait la case vide euh, sur cette question des, élections, maintenant, elle veut aller aux, élections d'une certaine façon, en pensant pour imposer euh, des élections transparentes. Bref, franchement, je pense qu'on se rend compte que il y a au niveau de la démarche une certaine incohérence euh, euh, qui, qui, qui, est là. Euh, mais dans le discours, parce que je pense que ce qu'on pourrait reprocher à l'opposition, parce que hier, un confrère l'avait dit, est-ce que vous n'allez pas répéter la même chose que COPA 2016, où l'opposition vraiment avait fait des prestations pleine d'incohérences Par exemple, on a vu comment se sont comportés au premier tour comme au, second tour. Des élections de Il y a des, choses qu'on ne peut pas comprendre euh, euh, vraiment d'un point de vue tout simplement de la raison. Donc, bref, euh, je pense que je, dois nuancer que effectivement il y a de bonnes raisons pour une lutte citoyenne. Et il y a effectivement la gouvernance. il y a beaucoup de dossiers, par exemple la question de la, de la défense elle est indéfendable. Tout le monde sait effectivement que ce n'était pas euh, acceptable, ce n'était pas normal pour le régime en place. Il y a beaucoup de questions justement de gouvernance, mais en réalité, j'ai comme l'impression, quand j'ai écouté les discours des uns et des autres, ici les hommes politiques, euh, fidèles à leur habitude, ils veulent remplacer une équipe, mais le vrai débat, les questions en tout cas d'intérêt général citoyen, risquent effectivement euh, d'être laissées de côté ils vont donc chercher à conquérir le pouvoir et venir faire la même chose. Hmm. Donc je pense que euh, franchement, euh, euh, le vrai débat, il ne faut pas tout simplement se laisser aller. Vous avez au Mali aujourd'hui, comme l'a dit Issa, j'ai suivi aujourd'hui un Malien qui a fait une sorte de monotone à travers donc, le hashtag pour dire que comment les Maliens conçoivent justement le futur, l'avenir du pays. Il faut donc au niveau de la classe politique, bon, en réalité, moi je pense qu'il faut dire que il faut tout simplement un pacte euh, euh, républicain où vraiment on peut amener les gens à ne plus faire certaines pratiques euh, dans la gestion de l'État. Par exemple, je, ne suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui, quand je prends notre pays, je constate que certains jeunes sont plus corrompus que les, que, adultes. Mmh. Donc en réalité, il va falloir tout simplement créer des conditions d'une gouvernance où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, mais aussi effectivement le choix des hommes. C'est-à-dire lorsque on se laisse aller par la logique politicienne, les politiciens donc se disent que nous on a, on sait comment on a eu ce pouvoir-là, on a utilisé les gens pour l'avoir, donc on a acheté en grâce le pouvoir du peuple. Donc quand on vient, on fait n'importe quoi. Donc je pense qu'il est grand temps véritablement euh, de, de considérer que euh, le plus important, c'est vraiment en matière de gouvernance qu'il y ait des contre-pouvoirs nécessaires qui peuvent franchement parlant euh, empêcher à ce qu'on fasse vraiment, qu'on abuse euh, des biens de l'État, qu'on abuse de la Parce quand tu es là, tu, tu, as des comptes à rendre. Et quand ah, il y a des manquements, qu'on puisse te sanctionner. Par exemple, entre autres, euh, au niveau de la, par exemple, de la justice, je me rends compte qu'il va falloir que justement le procureur de la République, en tout cas, puisse franchement être à la hauteur, à savoir que dans une république, dans un état de droit, est y a des situations flagrantes de malgouvernance Il doit poursuivre. Euh, sans, mais lorsqu'effectivement. Sans regarder la coloration politique. il faut que le ministre lui dise. C'est bien compris, c'est bien compris. Pendant ce temps, le parti Convention démocratique et sociale euh, CDS-RAMA pleure la disparition de son président national, Maître euh, Bouboukar Madougou est décédé le mardi 1er septembre 2020 à Niamey. De son vivant, il était aussi ministre conseiller à la présidence de la République du Niger. Il avait été élu lors du 8e congrès de ce parti après la déchéance de son prédécesseur Abdelabou de ses droits politiques et civiques dans l'affaire dite de supposition d'enfant. Votre commentaire à ce sujet, Hussein Nissa oh, Moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement parce que je connais beaucoup de gens au niveau de la CDS quand Maman Ousmane était à la tête de ce parti-là. Mais vraiment, ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu est son âme. Mmh l'acteur du soit légère. Issa Madougou, le parti CDS rama qui a apporté au pouvoir en 1993 l'ancien président de la République, Maman Ousmane, peut-il espérer un avenir meilleur sur l'échiquier politique national après ce décès ben, il faut remonter pour euh, parce que c'est le temps aussi qui va nous manquer un peu depuis la création du, de la CDS au lendemain euh, avec euh, l'avènement du multipartisme au Niger parce que vous le savez très bien que aujourd'hui la cette formation politique depuis des années, on a vu plusieurs partis politiques qui sont sortis de cette formation politique. On peut dire que c'est une formation politique qui est aujourd'hui eh, en chute libre, c'est pratiquement à son apogée. Euh, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille du, disparu, sa famille politique, sa famille biologique, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorde sa miséricorde. Mais moi, je pense que euh, du point de vue, la CDS Rahman n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une formation politique aujourd'hui qui n'arrive même pas à avoir, par exemple, lors des élections euh, législatives, une dizaine de députés. C'est c'est une formation politique qu'aujourd'hui on a vu la situation dans laquelle elle se trouve. Mais les formations politiques d'ailleurs même, euh, même dans les grandes démocraties, on est en train de voir surtout chez les francophones, comment euh, deviennent. Il faut un changement, il faut s'adapter une formation politique doit s'adapter, ne doit pas être euh, chaque fois aujourd'hui dans son carcan habituel. C'est seulement dans la culture de la démocratie au niveau des anglophones que nous voyons une, certaine euh, longévité euh, dans les idéologies, mais quand même eux aussi aujourd'hui, on sent une transformation, une contextualisation de l'idéologie. Mm, mais nous, on est toujours notre démocratie à l'image de nos pays. Et là, j'ai Mohamed Souleymane. Euh, donc j'ai dit paix à l'âme du l'illustre disparu. Euh, donc en ce qui concerne la CDS, il a dit en réalité les partis euh, c'est aussi l'âme de leur leader. Lorsque un parti a un leader charismatique qui réunit tout le monde quand il n'est plus là, effectivement, justement, c'est ça la vérité. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez le Lumana Sahama, vous voyez euh, mhm. tous ces différents partis. En tout cas, c'est le leader, quoi. Quand le leader n'est pas là, franchement, le parti tombe parce que, bon, on a vu, par exemple, au niveau du MNSD aussi, vous voyez. Donc, bref, euh, je pense que ça, c'est relatif à la vie associative, euh, qu'on le veuille ou non. Les leaders impriment aussi leur posture, je veux dire qu'ils rassemblent les gens et quand ils ne sont pas là, effectivement, souvent les gens ont tendance à aller ailleurs ou bien à le suivre. Ça veut dire que la un peu ça euh, aujourd'hui. Effectivement, ce euh, parti mm-hmm. euh, va justement euh, sombrer, en tout cas, de l'anonymat, parce que tout simplement, en réalité, Issa, c'est un journaliste. vous voyez, je veux dire que ne connaît même pas le leader actuel de... C'est-à-dire que franchement, c'est un peu cela aujourd'hui, ce parti. vous l'avez dit, un parti qui a élu un président de la République donc dans une coalition aujourd'hui, qui même pas avoir des députés, euh, en tout cas, ou du moins des difficultés à avoir un, député, euh, on se pose des questions justement sur vraiment sa déconfiture. Oui, vraiment. Nous sommes au terme de ce forum de la presse euh, du studio Kalangou. Nous disons un sincère merci à nos invités. Issa Madougou, journaliste indépendant. Elhaji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Et Hussein Issa Jibou, il est également journaliste euh, indépendant. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le studio Kalongo vous donne rendez-vous demain samedi et le dimanche à partir de 17h pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes, toujours ce week-end, ne ratez pas nos forums en Hausa et en Zarma. Excellente soirée à tous et bonsoir.